Bonjour. Bonjour. J'ai 20 ans. Donc, euh, euh, toi, euh, tu as connu ton statut quand Quand j'avais 14 ans. Faire la phrase, j'ai... hein? C'est pas grave, il y a Ah, ok. J'ai connu mon statique quand j'avais 14 ans. J'étais en classe de 6e. Comment ça s'est, passé Qui t'a informé Explique-moi. J'ai été tombée malade pendant deux semaines. On m'a amenée à l'hôpital. Mais à ce moment-là, on ne m'a rien dit. J'étais tout simplement, je sais tout simplement que j'étais malade. Mais après, mon père m'a informé de ça. C'est tout. D'accord. Donc, euh, dans la famille, tu, tu sais comment tu, tu, as été contaminé par un de tes parents ou tu sais pas Non, mes parents n'avaient pas cette maladie-là. Moi-même, je ne sais pas là où j'ai trouvé ça. Ils ont dit que c'est peut-être c'est dans la transfusion sanguine. Parce que quand j'étais née à six mois, j'étais tombée malade et on m'a fait une transfusion. Tu es née prématurée Oui. Je suis née prématurée. C'est ce que moi aussi on m'a informé de ça. Mais mes parents n'ont pas ça. Dans la famille, personne n'en a. C'est moi seule. D'accord. Et depuis ce temps-là, comment ça s'est passé euh, euh, Quelle a été ta réaction avant d'être prise en charge Comment ça s'est passé moi moi, j'ai même failli me suicider à cause de ça. Parce que je n'en crois pas. Je n'ai pas pu croire. Et après Après, c'est ma mère qui m'a consolée pour que je puisse aller de l'avant. Elle m'a encouragée. C'est, c'est elle seule qui sait. Elle est mon père et moi seule. Personne d'autre. C'est tout. Et maintenant, tu suis un traitement. Comment ça se passe Oui, je suis un traitement. On me donne des médicaments trois mois. Après, je vais aller renouveler encore si les médicaments sont terminés. Maintenant, Alhamdulillah quand je prends ces médicaments, je ne tombe pas malade. Et comment tu vis avec les gens Comment tu fais attention Je ne sais pas. Est-ce qu'on t'a conseillé comment tu dois te comporter avec les autres Oui, on m'a conseillé. Je vis comme les autres. J'essaie d'éviter de me blesser. Est-ce qu'on t'a mis en contact avec euh, des personnes de ton âge qui ont le même statut Est-ce que tu as rencontré d'autres personnes de la même situation que toi Avant, non. Mais cette année-ci, c'est un oncle qui m'a mis en contact avec euh, d'autres personnes de, même âge que moi. Ça lui a, permis de, ça m'a permis, ça m'a permis d'avoir ça t'a donné de l'espoir oui parce que je sais que ce n'est pas moi seule et comment ça se passe entre vous vous êtes en contact tout le temps vous vous voyez de quoi vous parlez pour le moment, on s'est rencontrés seulement. Mais je sais que dans le futur, ça ira. Vous avez des choses de prévues Non, pas encore. tu as autre chose à ajouter Tu as rencontré des difficultés sont les difficultés que tu as rencontrées, par exemple, que tu voudrais qu'ils s'arrange, que ça s'arrange